le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou il est 18h15 à Niamey. Chers auditeurs, bonsoir. C'est à présent l'heure du forum euh, du studio Kalangou que vous suivez chaque jour grâce à notre réseau dynamique de 38 radios partenaires qui diffusent nos programmes dans toutes les huit régions du Niger. Émission de débats radiophoniques traitant des questions d'actualité ou de société le forum du studio Kalangou vous propose aujourd'hui le thème Situation des conflits armés au Niger, quelle qualification juridique Un thème en lien avec le droit international humanitaire qui appelle au respect et à la protection de la dignité humaine en toutes circonstances. La question de la sécurité devient en effet de plus en plus une thématique préoccupante dans beaucoup de pays de la planète du fait qu'aucun peuple n'est réellement à l'abri de l'insécurité ou des conflits armés. Des préoccupations qui s'invitent au cœur des grands débats politiques avec des fonds colossaux investis, environ 20% du budget national pour le cas du Niger, par exemple, dans le seul but de pallier tout trouble et conflit pour comprendre les différents types de conflits armés qui existent et la qualification de ceux en lien avec le terrorisme. Il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'un conflit armé, quels sont les différents types de conflits armés qui existent à la lumière du droit international humanitaire, quelle est la nature des attaques des organisations terroristes à l'image de Boko Haram qui sème la piscose au Sahel à partir des acteurs en présence sur le terrain pour le cas de Boko Haram, quels sont les belligérants, quels sont les instruments juridiques internationaux visant à atténuer la souffrance des humains et à protéger la dignité humaine pendant les conflits armés. Le droit international humanitaire, DIH, est-il un droit qui s'applique aussi bien en situation de paix que de conflit Comment est-il appliqué dans les deux cas pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité dans ce studio le président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme Raza Presse dih Alfred Goubaye. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel Deji. Et maître Souleymane Seydou, avocat, membre du barreau du Niger, également acteur du domaine. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. À la présentation de ce forum, Michel Deji. Monsieur Alfred euh, Goubagé, pour commencer, nous l'avons bien dit, vous êtes le président du Rassemblement des acteurs euh, pour la promotion et le respect du DIH euh, et des droits de l'homme, Raza Presse, DIH, DH. Pouvez-vous d'abord nous faire une brève présentation de votre structure Merci, Monsieur Michel. je voudrais dire merci à Klangou qui nous a fait l'honneur de nous inviter sur ce plateau afin de discuter de cette thématique combien importante euh, euh, pour les populations afin de les édifier davantage. Et c'est ce que nous faisons au niveau du Razapresse DIHDH. Donc, le Razapresse DIHDH, c'est une organisation qui a pour mission fondamentale de promouvoir et diffuser ou vulgariser le droit international humanitaire et euh, les droits de l'homme. Nous faisons cette activité ou bien cette vulgarisation à travers un certain nombre de programmes ou d'activités, j'allais dire. Donc, euh, dans un premier temps, nous organisons des conférences, débats, des séminaires de formation, des ateliers, des tables rondes, des concours de plaidoirie. Et de l'autre côté aussi, euh, le Raza Press a une vocation humanitaire. Il a pour mission également d'assister les populations en situation difficile parce que vous n'êtes pas sans le savoir, euh, que le DIH régit également cette thématique afin de soulager la souffrance des populations. Donc c'est mhm. pourquoi nous avons aussi euh, ce volet-là au niveau du Presse et DHDH. Et nous travaillons en collaboration avec un certain nombre de partenaires qui sont multiples et il y a plusieurs acteurs euh, qui nous accompagnent. Nous travaillons notamment avec le CICR, <clears throat> le Comité international de la Croix-Rouge, le CRDH, la CNDH, pour ne citer que ces institutions. Alors, vous avez parlé du droit international euh, humanitaire, le DIH. Euh, qu'est-ce que c'est justement Le droit international humanitaire, DIH, euh, est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, visent à limiter les effets néfastes des conflits armés tout en tenant compte des nécessités militaires. Ces règles d'origine conventionnelle et coutumière visent plus spécifiquement à protéger les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités et à limiter les moyens et méthodes de combat. Peut-être ça, ça peut paraître un peu lourd, mais il faut dire que euh, le choix de, des expressions diffère en fonction euh, du public en présence. Parce que vous pouvez avoir un public qui peut retenir la notion de droit de guerre, notamment les forces armées. À ce niveau, elle privilégie l'expression droit de conflits armés ou droit de guerre. Alors que de l'autre côté, quand vous prenez les universitaires ou bien même les organisations internationales, elles, préfèrent plutôt, ces organisations-là, la notion de droit international humanitaire. Mais en un mot, c'est dire que le DIH vise spécifiquement à limiter les effets néfastes des conflits tout en tenant compte de ses nécessités militaires ou bien donner un visage humain à la guerre. Quel est le lien qui existe entre le droit international humanitaire et le terrorisme alors Merci pour euh, cette question d'ailleurs très pertinente parce que vous n'êtes pas sans euh, savoir ce qui se passe actuellement euh, dans notre pays et également dans la sous-région. La question du terrorisme est sur toutes les lèvres. Donc le droit international humanitaire ou les conventions de Genève ne sont pas, ces conventions, j'allais dire, ne sont pas étrangères à la question du terrorisme. Donc le DIH ne contient pas de définition du terrorisme, mmh. mais le DIH interdit la plupart des actes commis dans un conflit armé communément considérés comme des actes terroristes. C'est d'ailleurs pourquoi le DIH oblige les belligérants en tout temps à opérer une distinction entre les civils et les combattants et les biens à caractère civil et l'option militaire. Et donc, s'agissant spécifiquement de la question du terrorisme, nous voyons au niveau de l'article 33 de la 4e Convention de Genève, cet article dispose que les peines collectives de même que toutes mesures d'intimidation ou de terrorisme sont interdites. Et un peu plus loin, l'article 4 du protocole additionnel 2 interdit également les actes de terrorisme contre les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Donc voilà en fait euh, les quelques références que les conventions de Genève font sur la question du terrorisme. Mais nous n'avons pas à proprement dit une véritable définition dans ces conventions-là du, terrorisme. Merci donc à vous, Président. Maître Souleyman Seydou pour mieux comprendre ce qu'a eu à le président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est qu'un conflit et un conflit armé en particulier Merci, monsieur Michel. Je tiens avant d'entrer dans le vif du sujet à remercier le studio Kalangou qui a eu à passer à notre modeste personne dans le cadre de cet échange débat. Je vous remercie en tout cas. C'est nous qui vous remercions. Alors, en ce qui concerne la question de conflit ou de conflit armé, vous savez, le droit international humanitaire, ou plus précisément les conventions de Genève, font souvent référence à un certain nombre de thèmes sans pour autant les définir de manière claire et précise. Mmh. Il en est ainsi de cette question des terroristes que les conventions de Genève ont visé sans pour autant définir de manière concrète la notion de terrorisme, mais qui se bornent à viser un certain nombre d'actes qui peuvent être constitutifs d'actes terroristes. Alors c'est de cette même manière qu'en ce qui concerne la question de conflit ou de conflit armé, le droit international humanitaire ne donne pas une définition claire et précise de la question de conflit armé. Lorsqu'on se réfère aux dispositions de l'article 2 euh, des conventions de Genève, l'article 2 commun aux conventions de Genève, vous allez comprendre aisément que cette disposition fait état de la question de conflit armé, fait également état de l'application des conventions à chaque fois qu'il y a un conflit armé qui surgit sur le territoire d'un, de deux ou de plusieurs parties contractantes sans pour autant nous donner une définition de cette question de conflit ou de conflit armé. Alors, euh, la doctrine étant présente et également la jurisprudence, il a fallu en tout cas dans les années 1995 pour que nous puissions avoir une définition jurisprudentielle mhm. de la question de conflit armé dans un célèbre arrêt qui a été rendu par le tribunal pénal international pour l'Est Yougoslavie. C'est l'affaire Tadic. Dans cette affaire, le tribunal a eu à définir la notion de conflit euh, comme étant, je cite cette définition, un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés ou entre groupes armés au sein de l'État. Alors de cette définition, vous allez comprendre exactement qu'il y a conflit armé dans trois situations bien précises. La première situation, c'est lorsqu'il y a le recours à la force entre des États. Mhm. Lorsque par exemple l'État du Niger et l'État du Mali ont recours à la force l'un contre l'autre, on dit qu'il y a conflit armée. Ça, c'est la première, en tout cas, définition de conflit armé. La deuxième définition de conflit armé, c'est qu'il y a conflit lorsque il y a recours à la force entre l'État et des groupes armés, mmh. tel le cas par exemple de la situation que nous vivons au Niger ici. Il y a l'État du Niger d'un côté et il y a des groupes armés organisés qui, en tout cas, font des attaques de manière sporadique contre les forces armées régulières. Et donc ici, nous sommes dans une situation où il y a un État qui est en confrontation avec des groupes armés. On dit qu'il y a conflit armé. Et la dernière situation, c'est lorsque il y a des groupes armés au sein de l'État qui s'affrontent entre elles. Cette fois-ci, ce n'est pas entre l'État en tant que puissance étatique, mais entre des groupes. Mhm. On, peut, on peut prendre par exemple deux groupes rebelles qui s'affrontent à l'intérieur d'un même État pour avoir, par exemple, le contrôle ou la maîtrise d'un territoire bien précis dans le cas de cet État-là. Donc voici les trois éléments définitionnels de cette question de, de conflit armé. Mais comme j'ai eu à le préciser, le droit international humanitaire, les conventions de Genève elles-mêmes ne définissent pas ce qu'elles entendent par conflit armé. Elles se bornent à faire la distinction entre conflit armé interne et conflit armé non international. Pas de définition précise. Donc, euh, Alfred euh, Goubadier, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du DIH et des droits de l'homme, euh, Razapresse, on a donc l'impression qu'il y a différents types de conflits armés. Quels sont ces différents types de conflits armés Merci, monsieur Michel. Je vais aller dans le même sens que lui pour cette fois-ci nous présenter la classification des différents conflits armés. Donc il faut retenir que le droit international humanitaire distingue ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux, les conflits armés internationaux, mhm. et une troisième catégorie, mais qui fait polémique au niveau de la doctrine. Polémique pourquoi Parce que il y a certains qui ne retiennent pas cette catégorie. Et quelle est cette catégorie Cette troisième catégorie, ce sont les conflits euh, armés internes internationalisé. Mhm. Donc, comme je l'ai dit, nous avons les conflits armés non internationaux, les CANI, les conflits armés internationaux. Et de l'autre côté, ce qui fait un débat entre les acteurs, ce sont les conflits armés internes internationalisés. Donc voilà les trois types de conflits que nous avons. Les, conflits armés non internationaux, comme l'a dit euh, si bien euh, Maître Suleiman tout à l'heure, ce sont ces conflits-là qui oppose à l'intérieur d'un territoire, d'un État, mhm. l'armée régulière d'un État mhm. a à un groupe armé organisé. Donc c'est ce qu'on appelle un conflit armé interne. Donc mhm. c'est le cas par exemple de deux groupes armés organisés sur le même territoire qui s'affrontent. Donc on a un conflit armé non international lorsque l'armée régulière d'un État est en guerre contre un groupe armé organisé. Et deuxièmement, deux groupes armés organisés sur le même territoire qui s'affrontent. Là, dans cette hypothèse-là, nous avons un conflit armé non international. L'autre côté, le conflit armé international est celui-là qui oppose l'armée régulière d'un État face à une autre armée d'un autre État. Donc, deux armées de deux États différents. Ou bien lorsque un groupe armé organisé sur le territoire d'un État parti aux conventions de Genève reçoit l'appui d'un autre État donc cet appui-là peut être, par exemple, euh, peut se matérialiser sous l'envoi des experts militaires ou bien l'envoi d'armement, par exemple, pour, pour la guerre. Donc lorsqu'il y a ce soutien militaire ou bien il y a ce soutien logistique, cela contribue à donner un autre visage à la guerre. Justement, j'avais tout à l'heure parlé de cette troisième hypothèse qui est l'internationalisation que je viens d'évoquer tout de suite. Mm. Donc vous voyez que là, l'intervention de notre État aux côtés d'un des groupes contribue a donné une autre image à la guerre, puisqu'il y a l'internationalisation. Mais ici, les acteurs ne sont pas unanimes sur la question. Il y a d'autres qui estiment que dès l'instant où un autre État soutient un groupe armé, on ne parle pas d'un conflit interne internalisé, mais ils retiennent tout simplement la notion du conflit armé international. Donc d'où les deux catégories, conflit armé interne et conflit armé international. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a une situation qui n'atteint pas le degré de conflits armés, qu'on appelle les troubles et tensions internes, mhm. les TTI. Donc là, c'est par exemple le cas des émeutes. Les manifestations, Des scolaires, par exemple. On constate une certaine, ou bien un certain degré de violence. Mhm. Mais attention, ici, il y, a un certain degré, il n'y a pas un degré élevé de, violence au niveau des troubles et tensions, et, tensions et troubles internes. Donc là, ces questions-là ne sont pas régies par le DIH, mais plutôt par le droit interne des États. Mmh. Donc voilà un peu schématiquement euh, ce que je peux... Ça veut dire en cas de meute, c'est beaucoup plus régi par le droit du pays, le droit positif nigérien, si c'est au Niger par exemple. Tout à fait, tout à fait, c'est ce que disent les textes. Donc, Président, à la lumière du droit international humanitaire, quelle est la nature des attaques euh, des organisations terroristes euh, à l'image de Boko Haram du Nigeria qui ne cesse de s'aimer le trouble et le désarroi au sein des populations du Sahel Merci pour cette question. D'ailleurs, aussi importante et pertinente que les autres. Récemment, en janvier, nous avons participé euh, avec euh, d'autres organisations telles que la Commission nationale des droits humains, euh, Diaconia du Mali et le G5 Sahel. Nous avons participé à une table ronde régionale sur justement cette question. Parce que la question posée était de savoir quelle est la situation du conflit qui sévit au Sahel mmh. et quel est le droit qui lui est applicable. Voilà en fait euh, l'objectif de cette table ronde. Donc euh, nous avons participé en, animant un panel sur la qualification justement du conflit armé au Sahel. Et lors de cette table ronde, nous avons retenu que quand on regarde la typologie de conflits que nous avons décrits tout à l'heure, mhm. notamment les conflits armés non internationaux, les conflits armés internationaux et les troubles et tensions internes, quand on regarde ce chemin, on se retrouve exactement dans l'un d'entre eux, au niveau de l'espace, en fait au niveau du Sahel, et aussi au niveau de notre pays. Je m'explique. J'avais retenu par exemple que dans un conflit armé non international, c'est l'armée régulière d'un État qui affronte des groupes armés organisés. Mhm. Et quand vous regardez ce que nous euh, traversons, cette situation difficile que nous traversons, ces derniers temps dans notre pays, on a notre armée qui est en guerre avec des groupes armés organisés, mhm. notamment ce qui se passe à l'est de notre pays et de l'autre côté, au nord. Vous voyez, au nord Tilaberi, ce qui se passe. Donc là, nous sommes spécifiquement dans un cas de conflit armés non international. Et quand vous regardez également au niveau du Sahel, vous avez les différentes armées nationales qui font face à des groupes armés, en fait, aux groupes djihadistes. Maintenant, dans ce cas spécifique, nous n'avons pas l'envoi ou bien l'appui d'un État extérieur à ces groupes armés organisés. Donc, ce qui veut dire tout simplement que le conflit, ou bien la qualification que nous, de notre point de vue, nous retenons, et un conflit armé non international, malgré que nous avons plusieurs acteurs, ou bien plusieurs États. Par exemple, vous avez la création de la, de la force multinationale mixte. Récemment, vous avez l'intervention de la force française Berkane au Mali. Mais tout ceci, cette intervention-là n'est pas aux côtés des, groupes, organisés. Des groupes organisés. Mhm. C'est très important cette notion, cette question-là. Si la force multinationale mixte, par exemple, avait donné son appui aux groupes armés organisés, là, nous serons dans un cas de conflit armé international. Mhm. Mais du fait que le soutien ici, ou bien vous savez, c'est une coalition internationale qui lutte contre les mouvements terroristes. Donc là, dans ce chemin là nous retenons la notion du conflit armé interne. Bien qu'il y a plusieurs, euh, y a plusieurs États qui interviennent. Mais il faut relativiser c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Comme je l'ai dit, ça, c'est notre point de vue en tant qu'acteur du domaine. Mais vous pouvez avoir d'autres acteurs qui peuvent aussi, sur la base des, arguments qui seront avancés. Nous, nous avons, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre de faits, sur un certain nombre de, dispositions des conventions de Genève. Parce que les conventions de Genève ne qualifient pas un conflit comme ça ex nihilo. C'est sur la base d'un certain nombre d'éléments, comme par exemple la présence d'un État, face à des groupes armés, comme par exemple euh, le soutien apporté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, sur la base de ces éléments-là, nous nous retenons que le conflit que nous avons dans l'espace sahélien est purement un conflit armé non international parce qu'il n'y a pas de soutien à un groupe armé dissident par un État tiers dans le conflit au Sahel et il n'y a pas d'affrontement entre deux États. Si vous regardez au Sahel, les États ne sont pas en guerre contre eux. Mhm. Tous les États et même le soutien des autres États que nous avons, c'est du côté de, En fait, les États ont fait bloc face au mouvement terroriste. Mhm. Donc, dans cette hypothèse, nous avons un conflit armé non international. Toutefois, et je finis, un véritable débat existe sur cette qualification retenue du conflit au Sahel, au vu de la forme actuelle, puisque le conflit est en train de prendre un autre visage et il y a d'autres éléments qui sont en train d'intervenir. L'avenir nous en dira plus. Mais pour l'instant, voilà ce que nous nous retenons de la situation. Merci. Maître euh, Suleiman Seydou, à partir des acteurs en présence sur le terrain pour le cas de Boko Haram, quels sont les belligérants Oui, merci pour cette question pertinente. Euh, d'abord, quand on parle de belligérance, il faut, il faut retenir qu'il s'agit d'un terme qui a été utilisé vers la fin de la Seconde Guerre mondiale mhm. pour désigner premièrement les différentes entités qui partent en guerre. Deuxièmement, pour désigner les insurgés. Cette notion de belligérance est aujourd'hui dépassée parce qu'avec l'avènement des conventions de Genève, on ne parle plus de belligérance, on parle plutôt de partie au conflit. Mhm. Ou tout au moins les combattants. Alors lorsque vous prenez notre situation aujourd'hui, elle est simple. Les parties au conflit, quand on parle en termes de belligérance, il n'y a que deux parties qui sont clairement identifiables, dont l'autre pose véritablement un problème. La première partie, c'est l'État du Niger et donc les forces armées régulière de l'État du Niger qui mhm. interviennent dans le cadre de ce conflit. Deuxième partie au conflit, c'est cet ensemble-là que les uns et les autres qualifient de Boko Haram, sans pour autant qu'on puisse savoir quels sont les éléments constitutifs de cette entité Boko Haram. Est-ce que dans Boko Haram, il y a les éléments du Mujaho, les éléments, euh, les, comment est-ce qu'on appelle ça, les djihadis, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça véritablement la problématique dans le cadre de la détermination de cette deuxième partie au conflit. Aujourd'hui, il faut être dans les secrets de la gestion de ce conflit pour comprendre aisément les attaques qui sont menées sur le front à Arlit, à Adifa, ainsi de suite, un peu ça et là, quels sont ces acteurs qui interviennent dans le cadre de, ce conflit-là. Et donc moi, en tant qu'avocat, je ne suis pas dans le secret, bien entendu, de, de, de cette stratégie militaire pour pouvoir en tout cas affirmer de manière péremptoire que les belligérants dans le cadre de ce conflit sont tels, tels ou tels. Mais par contre, si on se réfère aux dispositions des conventions de Genève, j'ai dit la notion de belligérance renvoie aux parties qui sont au conflit. Et dans notre contexte actuel, il y a deux parties. Il y a l'État du Niger qui s'oppose à des groupes armés organisés. Il y a l'État du Niger qui s'oppose à un mouvement terroriste. Alors ce mouvement terroriste, ces groupes armés organisés, qui sont-ils Ça, la question demeure toujours. Il n'y a pas que l'État du Niger, il y a d'autres États également, notamment euh, les autres quatre États du G5 Sahel. Oui, fondamentalement, comme euh, mon excellent ami Alfred vous a eu à le dire, vous savez, euh, quand on parle de parties au conflit, on parle des parties qui interviennent directement. Les autres États viennent en appui mhm. de l'État du Niger. Bien sûr. Lorsqu'ils veulent, en tout cas, érayer ce phénomène de Boko Haram, l'État du Niger déploie ce qu'il a comme armement sur le terrain et il reçoit ce qu'on appelle des appuis en termes militaires, en termes techniques, en termes de, de, conseils ou même de, de la part d'autres États, bien entendu. Mais spécifiquement ces États, dans le cadre, si on circoncile la thématique en ce qui concerne la situation au Niger, c'est l'État du Niger contre les groupes Boko Haram, mais l'État reçoit quelque part des appuis euh, des États étrangers que sont peut-être l'État du Mali, le Nigeria, le Cameroun, ainsi de suite, qui sont réunis autour de cette question de du G5 Sahel. Maître Souleymane Seydou, quels sont les différents instruments juridiques internationaux visant à atténuer la souffrance des humains et à protéger la dignité humaine pendant ces conflits armés alors, en ce qui concerne les instruments juridiques ou les conventions qui ont pour but, euh, en tout cas, d'atténuer les souffrances dans le cadre des conflits, il faut retenir spécifiquement quatre conventions qui constitue le noyau du droit international mhm. humanitaire. Alors, il y a d'abord la première convention de Genève du 12 août 1949 sur, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées. Dans les forces armées. Euh, il faut rappeler qu'il s'agit de quatre conventions qui datent tous de 12 août 1949. Qui ont été toutes signées donc le 12 août 1949. Donc c'est la mhm. première convention. La deuxième, la convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées terre. Vous avez également une troisième convention relative au traitement des prisonniers de guerre, une quatrième convention relative à la protection euh, des prisonniers, bien entendu, des prisonniers de guerre, et euh, la, quatrième convention, celle relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. À côté de ces quatre conventions de Genève, il y a deux protocoles additionnels qui viennent également s'ajouter à ces quatre conventions. En tout cas, en ce qui concerne le droit international humanitaire, ce sont les quatre instruments euh, juridiques qui font phare, en tout cas dans les mois natifs. Mais quand on parle euh, d'atténuation de la souffrance des uns et des autres, il y a bien entendu les dispositions du droit international des droits de l'homme qui peuvent également intervenir. Il y a les conventions euh, sur les droits de l'homme qui interdisent la torture, le traitement inhumain, regardant tout ça qui peuvent également intervenir. Mais si on se limite à ces questions du droit international humanitaire, vous avez les quatre conventions de Genève et les deux protocoles additionnels. Président, est-ce que sur le terrain, vous pensez que ces différentes euh, conventions du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels sont assez vulgarisés en vue d'un bon respect de la dignité humaine et d'atténuer ces souffrances euh, des personnes euh, en cas de conflit Vous dites bien, est-ce que ces différentes conventions que vient de rappeler si bien mon cher ami Maître Suleiman sont vulgariser sur le terrain. Voilà en fait euh, la mission même du Razapès DIHDH. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous œuvrons fondamentalement afin de promouvoir ou diffuser les règles du droit international humanitaire. Et nous le faisons déjà. Nous avons par exemple euh, euh, quelques activités avec le Britannique militaire où nous essayons de former à la base ces futurs responsables de l'armée qui seront à des postes de commandement qui, une fois aujourd'hui euh, les notions du DIH, pourront demain, quand ils seront justement à ces postes de commandement, également les vulgariser. Il n'y a pas que vous, il y a d'autres acteurs sur le terrain. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la synergie d'action. Mhm. Nous travaillons beaucoup avec l'État du Niger, avec le CICE, avec toutes ces organisations qui interviennent dans la défense des droits humains. Donc, vous voyez, euh, tous ces acteurs-là conjuguent leurs efforts, mais fondamentalement, pour réussir la mission, il faut nécessairement passer par la diffusion du DIH. Et c'est ce que nous essayons de faire. Parce que tant qu'on ne diffuse pas ces règles, les uns et les autres ne connaîtront pas les dispositions, ne connaîtront pas les droits et les garanties qu'accordent les Convention de Genève. Non seulement aux acteurs en présence, mais aussi aux populations civiles. Je répète, population civile parce que c'est la couche la plus vulnérable. Et aujourd'hui, cette population a besoin de comprendre quelles sont les droits qui lui garantissent les conventions de Genève. Quelle est la protection qu'accordent les conventions de Genève aux populations civiles, la couche vulnérable Par exemple, les défis de la participation des civils aux hostilités. Parce qu'il faut comprendre, par exemple, si les populations civiles comprennent, à travers bien sûr la diffusion que nous faisons, comprennent que c'est dangereux pour, euh, pour, euh, pour, cette population civile, de participer au conflit, alors elle pourra, elle pourra par exemple s'abstenir. Donc l'information ou bien la diffusion ici est importante. Il faudrait aussi que de l'autre côté, nos forces de défense et de sécurité soient encore aussi renforcées. Et c'est ce que nous avons eu, par exemple, à faire avec d'autres organisations comme le PNUD récemment de la région d'Ottawa, où nous avons participé à la formation des forces de défense et de sécurité sur la notion les notions du droit international humanitaire. Donc, vous voyez, si nos forces de défense et de sécurité sont encore euh, outillées, déjà elles ont des notions. Maintenant, si elles sont encore mieux outillées, ça va leur permettre sur le théâtre des hostilités d'appliquer le DIH. L'autre côté, si les populations civiles également sont informées, ça va leur permettre de s'abstenir d'un certain nombre de choses et de comprendre également quelle est la protection qui leur est accordée. Par exemple, le DIH interdit l'attaque des biens euh, à caractère culturel les mosquées, les églises, les ponts, les, les écoles, etc. Donc il y a tellement de choses. Je me dis que la diffusion aujourd'hui est l'élément fondamental. C'est un élément de prévention. Parce que si nous diffusons, nous allons prévenir un certain nombre de, choses et je pense que c'est euh, le Niger qui sort gagnant. Et voilà. Le droit international humanitaire des est un droit qui s'applique aussi bien en situation de paix que de conflit. Comment est-il appliqué dans les deux cas euh, Je voudrais ici, à ce niveau, effectivement, euh, préciser, comme vous venez de, de, le, de le dire si bien, le DIH n'est pas seulement un droit qui s'applique en période de conflits armés, puisque d'aucuns pensent que quand on parle de IH, c'est effectivement euh, un droit qui s'applique uniquement pendant les conflits armés. Non. Mm-hmm. Le DIAC s'applique en temps de guerre, tout comme en temps de paix. En temps de guerre, par exemple, euh, tout à l'heure, euh, mon cher ami Maître Suleiman a rappelé un certain nombre de dispositions qui régissent la guerre. Donc, en temps de guerre, le DIAC à s'appliquer, par exemple, en limitant les choix et méthodes de guerre, en limitant, par exemple, ou en interdisant, par exemple, de, de, tuer un militaire qui est déjà hors du combat. Donc, il y a un certain nombre de, dispositions tirées des conventions de Genève et des textes qu'il a cités tout à l'heure qui interdisent un certain nombre d'actes de barbarie sur le théâtre des hostilités. Au nom de la sacralité de la vie humaine, par exemple, vous avez les conventions relatives euh, à l'interdiction des armes biologiques, bien qu'on soit en guerre, vous n'avez pas la latitude de choisir vous-même vos méthodes et vos moyens de guerre. Vous voyez Donc ça, c'est un aspect. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit essayer de voir l'ennemi, il a quel armement avant de l'affronter. Tout à fait. C'est ça, en fait, le sens du principe de proportionnalité en droit international humanitaire. Vous voyez euh, C'est-à-dire, vous n'êtes pas libre de choisir la méthode et les armes de guerre que vous voulez selon votre gré, selon vos désirs. Parce que à défaut d'interdire la guerre, le droit international humanitaire intervient pour dire moi, je suis là pour donner un visage humain à la guerre. Et donner un visage humain à la guerre revient à interdire le choix de certains moyens et certaines méthodes de guerre, certaines armes de guerre. Tout ça, c'est pour donner un visage humain à la guerre, à défaut de l'interdire. Si par exemple vous venez avec moi, avec une arme légère, je n'ai pas le droit de venir contre vous avec, par exemple, une arme de destruction massive, ou bien, je sais pas, avec une arme d'un degré aussi élevé que le, le, le, Donc, le principe de proportionnalité voudrait quand même que je vienne avec une arme proportionnelle à la vôtre. Vous venez avec moi, euh, contre moi avec un couteau, je ne peux pas utiliser, par exemple, une doucette contre vous. Ça, le principe de proportionnalité l'interdit en droit international humanitaire. Donc, vous voyez, tout ceci, c'est pourquoi C'est pour humaniser la guerre. Mais est-ce que toutes euh, les parties en conflit sont soucieuses euh, de cette euh, question de proportionnalité Est-ce que, par exemple, Boko Haram peut arriver ou être amené à respecter ces dispositions prévues par le droit international humanitaire Cette question reste un défi majeur. Parce que sur le théâtre des hostilités, les forces armées souvent se trouvent confrontées à cette situation par exemple, elles disent que nous, nous sommes un État. Nous sommes des forces armées régulières d'un État. Notre État est parti à des conventions. Bien sûr. Donc nous sommes tenus de les respecter. Mais de l'autre côté, les acteurs en face, l'ennemi, l'ennemi ne respectent pas du tout ces conventions. Alors, quelle doit être notre attitude Ce sont des questions qui nous sont souvent posées lorsque nous faisons ce genre de formation. C'est vrai, donc vous voyez que c'est un défi. Par exemple, l'État du Niger, euh, qui a accepté ces conventions du 12 août 1949, euh, est obligé de respecter le droit international. Obligé de respecter le droit international. même face à l'ennemi. Même face à l'ennemi. Et voilà que l'ennemi ne respecte pas ces différentes conventions, puisque c'est une organisation terroriste. Et c'est ça le défi, M. Euh, Monsieur Michel. La situation est telle que nous sommes partis aux conventions de Genève. L'État a l'obligation de les respecter, comme le précise ces conventions-là. Maintenant, amener l'autre acteur en face à respecter les conventions de Genève est un défi. Et maintenant, c'est là toute la problématique dans laquelle il faut aller. Parce que c'est un acteur souvent qu'on ne peut pas cerner. Voilà, c'est là en fait la difficulté. Si tous les acteurs, là, si l'ennemi respectait les conventions, peut-être le, conflit allait prendre un autre visage. Mais du fait que l'acteur en face ne respecte pas, alors souvent cela met les forces de défense et de sécurité dans une autre situation. Maître Souleymane Seydou, est-ce qu'on peut arriver à un stade euh, où l'ennemi, une organisation terroriste euh, comme Boko Haram euh, par exemple, arrive à respecter ces dispositions des quatre conventions qui protègent la dignité humaine, euh, les conventions de Genève euh, du 12 août 1949 euh, relatives à la question du droit international humanitaire. Oui, merci pour cette question pertinente. Comme Alfred avait à le dit vous savez, la question du respect des dispositions des conventions de Genève par les entités non étatiques pose véritablement un problème parce qu'aujourd'hui, lorsque euh, vous rencontrez, euh, vous faites une sorte de simulation, mais ces entités terroristes euh, vont vous répondre tout simplement, mais nous, nous n'avons pas ratifié la Convention de Genève. Hmm. Du coup, nous ne sommes pas obligés de respecter cette Convention de Genève. En tout cas, c'est ce qu'ils peuvent sembler dire, mais malheureusement, le droit international tel qu'il a été conçu, impose le respect de ces dispositions-là par toutes les parties. Mm. Que vous soyez un groupe terroriste, que vous soyez de la partie étatique, vous êtes astreint à respecter ces obligations. Maintenant, est-ce que ces groupes terroristes sont enclins à respecter les dispositions de la Convention de Genève. C'est toute la problématique et c'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit là d'un défi majeur. Mais on peut arriver, on peut arriver en y travaillant parce que comme on l'a dit, la guerre, si on ne peut pas l'éviter, on peut au moins l'humaniser. Alors avant d'être en état de guerre, il y a un état de paix. Et donc, pendant cet état de paix, il faut qu'on travaille à faire de la promotion du droit international humanitaire à toutes les parties prenantes il faudra que les uns et les autres soient formés sur cette question du droit international humanitaire. Aujourd'hui, Lorsque vous prenez les éléments de Boko Haram, c'est en réalité, il y a des, civils qui sont enrôlés, Mais si ces civils avaient au préalable bénéficié de formation et d'encadrement par rapport à ces dispositions des conventions de Genève, peut-être que sur le terrain, ils vont en tout cas être acclins à respecter cela. C'est pour ça que nous disons qu'il faut un travail euh, en amont il faut un travail en amont. Il faudrait qu'en état de paix, il faut qu'on travaille à faire des séances de formation, des séances de traduction même de ces dispositions des conventions de Genève en langue en langue locale, en langue nationale pour que, à l'endroit des populations. À l'endroit des populations pour que celui-là qui est au village, qui est à, à Ngigimi, à Boubon, dans le fond fond village d'Arlit, qu'il comprenne le contour des conventions de Genève. Mais lorsque vous avez des conventions de Genève qui sont écrite essentiellement en français, il est tout à fait difficile pour un citoyen lambda qui est enrôlé demain euh, dans Boko Haram de comprendre ce dont il est question, à fortiori le respecter. Et donc c'est pour ça que nous disons qu'il s'agit d'un défi, mais on peut travailler à faire en sorte que ces entités terroristes puissent également respecter les règles du droit international humanitaire. Alfred Goubadier, votre analyse euh, pour terminer par rapport à, ce sujet. Comme euh, je viens de le dire euh, mon cher ami euh, Maître c'est un défi. Aujourd'hui, la vulgarisation ou la question du respect du droit international humanitaire est un défi. C'est pourquoi nous essayons d'apporter notre euh, modeste contribution afin non seulement de sensibiliser les populations civiles, mais aussi, dans la mesure du possible, le Press, Press HDH se montre véritablement disponible et prêt à appuyer nos forces de défense et de sécurité afin de leur donner les outils et les rudiments nécessaires afin de pouvoir euh, vraiment euh, appliquer ces notions du droit international humanitaire sur le théâtre des hostilités. Nous devons travailler ensemble et voilà la vocation que nous sommes assignés c'est de d'outiller, outiller les populations, outiller nos forces de défense et de sécurité, outiller les acteurs au respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Quel pourrait être justement l'apport euh, de la population relativement à la question Pour la population civile, justement, c'est dans le cas, bien sûr, du conflit armé, c'est de ne pas prendre parti. Mm. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, il y a beaucoup qui sont utilisés et enrôlés. Vous avez des enfants qui sont utilisés, enrôlés. Donc la population civile doit garder son statut de civil. Le combattant est un combattant. Donc il doit parce que dès l'instant où vous prenez les armes, vous perdez votre statut de civil. Vous devenez un combattant. combattant. Donc vous voyez, la population civile ne doit pas prendre parti en soutenant, par exemple, les les l'acteur ennemi qui est en face. Donc elle doit rester civile et s'éloigner du conflit. Ça c'est important. S'agissant des forces de défense et de sécurité également, là, nous disons par exemple l'autre question, c'est de, renforcer leur capacité en droit international humanitaire afin de leur permettre d'être plus opérationnels sur le terrain. Maître, est-ce qu'on peut espérer une fin des attaques euh, terroristes euh, que nous avons actuellement, contre lesquelles nous avons toute cette synergie d'efforts euh, au niveau des États d'abord du Sahel, mais aussi de la communauté internationale Vous me demandez euh, de donner un avis, est-ce qu'on peut en tout cas arriver à une fin de, de toute cette crise-là Moi, ce que je peux dire, c'est que je l'espère en tout cas. Je l'espère, mhm. au vu des moyens qui sont déployés ça et là. Euh, j'ose espérer qu'un jour qu'on arrive en tout cas à la fin de, toute cette crise-là. C'est tout ce que je peux dire. Je ne suis pas, dans, comme le dit, dans le secret des, des affaires militaires ou je ne suis pas en tout cas euh, dans le secret des stratégies militaires. Je ne peux pas vous donner une réponse en tout cas péremptoire pour dire oui, on va pouvoir arriver ou non. Mais je le souhaite en tant que citoyen, en tant que citoyen lambda comme vous, je souhaite en tout cas que cette crise-là puisse euh, prendre fin et que les uns et les autres puissent vaquer à leurs occupations. On a vu des situations de conflit pareilles. Euh, nous avons vu les efforts contre Daesh et autres. Votre mot pour terminer, Monsieur le Président. La paix, vous savez, Monsieur Michel, est le bien le plus précieux que le monde a et que le monde doit avoir. Un monde sans paix, je me dis, comment est-ce que l'homme pourra vivre heureux voilà toute la problématique. Donc notre souhait, c'est que le monde connaisse la paix, c'est que notre pays connaisse la paix. Mhm. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous essayons de travailler sur la question afin de sensibiliser les uns et les autres. Et que, comme l'a dit tout à l'heure euh, mon ami Suleiman, on ne peut pas aujourd'hui se prononcer sur ce qui va arriver dans les jours à venir c'est-à-dire en termes de cessation de, de, fait de, de ce conflit et autres. Mais le souhait que nous avons, c'est que notre pays retrouve la paix. Comme c'est le cas dans d'autres pays où on est arrivé au bout de cette situation. Donc c'est notre souhait pour notre pays. Merci à vous tous, euh, chers auditeurs. Nous sommes au terme de ce forum euh, du studio Kalangou qui a eu pour thème euh, Situation des conflits armés au Niger. Quelle qualification juridique Nous avons pu comprendre ce que c'est que le droit international humanitaire qui est un ensemble de règles qui vise à limiter les effets des conflits armés. Pourquoi il est important Parce que le DIH est un des outils les plus puissants dont dispose la communauté internationale pour que la sécurité et la dignité des personnes soient respectées lors des conflits armés. Nous étions en compagnie de deux acteurs du droit international humanitaire, Alfred Goubaye, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, Raza Presse, DIH, DH et Maître Souleyman Seydou, avocat, membre du barreau du Niger. Merci à vous, chers invités, pour cette participation au forum du studio Kalangou. Merci également à nos nombreux auditeurs présents dans toutes les huit régions du Niger qui nous ont suivis au micro, c'était Michel Deji pour la présentation à la technique euh, Seine Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du forum de Studio Kalangou. Passez une excellente soirée et au revoir.